le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 6 mars 2020. Le Forum de la presse, comme vous le savez, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. À suivre dans le forum de ce soir les commentaires et analyses de nos confrères au sujet des réactions suscitées par le dossier de l'audit diligenté au ministère nigérien de la Défense. Et sur le plan sanitaire, nous reviendrons sur les mesures préventives qui sont envisagées par les autorités nigériennes et leurs partenaires contre l'intrusion éventuelle du coronavirus COVID-19 Enfin, nous terminerons avec le Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel-Niger qui s'est tenu cette semaine au Palais du 29 juillet à Niamey. Et pour parler de tous ces sujets, je suis avec euh, mes confrères Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé, bonsoir. Oui, bonsoir. Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa, bonsoir. Bonsoir Alassane. Et Maimouna Diado, journaliste à la télévision Tambara. Maimouna, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Cousin Mamadou pour la présentation de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum de la presse de Studio Kalango. Le communiqué du gouvernement nigérien en data du 26 février passé au sujet de l'audit du ministère de la Défense a suscité de nombreuses réactions. D'abord, le SAMAN, le syndicat autonome des magistrats du Niger, qui, à travers une déclaration de presse, accuse le gouvernement de violer l'article 116 de la Constitution en s'arrogeant les attributions du procureur de la République, qui est la seule autorité habilitée à apprécier l'opportunité de la poursuite. En guise de protestation, le Saman prévoit d'observer une journée justice morte lundi prochain. Suite à cette déclaration, le ministre de la Justice nigérien, Moro Amadou, de son côté, a fait une sortie médiatique dans son point de presse. Maroua Amadou explique que le procureur de la République, étant sous l'autorité du ministère de la Justice, met en œuvre les orientations de la politique pénale du gouvernement. Une autre sortie relative au dossier de l'audit, c'est celle du bureau exécutif euh, national du PNDS Tarea, le parti au pouvoir. Je commence tout de suite avec euh, vous, même Diado, euh, de la télévision Tambara. Que pensez-vous de la réaction du SAMAN, le syndicat autonome des magistrats du Niger, dans ce dossier et celle du ministre de la Justice Ok. Euh, bon, parlons donc euh, de la déclaration euh, du Saman. Je pense que le Saman est dans ses droits. De, réclamer en fait sa justice. Parce que tout simplement, comme l'a dit le Saman, c'est comme s'il y a une intrusion en fait, au niveau euh, donc de la justice, c'est que le gouvernement ne devrait pas d'abord donner sa décision, sa position par rapport à ce dossier. Le dossier devrait transiter au niveau donc euh, de la justice. Et c'est la justice aujourd'hui qui doit d'abord faire connaître aux uns et aux autres, après euh, les, investigations données par la Alcia, suivre ces investigations pour donner, trancher s'il y a position aujourd'hui que c'est ceux qui ont détourné l'argent doivent aller euh, en prison ou doivent payer euh, uniquement donc les euh, sommes détournées. Et je pense que je vous avez vu juste après le Saman, il y a eu également les jeunes avocats. L'association des jeunes avocats qui, se qui se constitue en partie civile en fait pour pouvoir défendre euh, euh, ce dossier. Et vous avez vu, euh, ces jeunes avocats également suivre le pas du Saman. Pour eux, il n'est pas évident et qu'il il y a eu insurrection du gouvernement par rapport donc à ce dossier. Et vous avez vu aussitôt également la réaction du ministre de la Justice. Parce que le ministre de la Justice, lui, il est bon. Je dirais aussi qu'il défend d'un côté ses intérêts aussi. Parce que vous l'avez vu, étant défenseur il est plus défenseur euh, du gouvernement que défenseur aujourd'hui euh, des citoyens. Mm. Ça veut dire quoi Il a donné sa position. Parce qu'en donnant sa position, en disant que le Saman, tout ce que le Saman a raconté, ce n'est pas une vérité, et que voilà ce que dit les textes aussi. Parce qu'il il, il, il, revient sur le fait que le procureur... Oui, oui, le, euh, procureur est sous la coupe du ministère de la Justice. sous la coupe du ministère, de, la justice, et il dit en ce sens qu'il met en œuvre les politiques pénales du gouvernement. Voilà. Donc, euh, ça veut dire que, le Saman pense, voit et, Voilà, le Saman demande à ce que le dossier atterrisse au niveau, de la, et au niveau donc, euh, des juridictions compétentes. Mm. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, qui est censé dire, donner sa position, une position qui ne sera pas une position où on va le classer de l'autre côté, par exemple, du gouvernement, mais une position claire sur ce que les textes ont dit. Vous voyez, il dit que non, le Saman aujourd'hui n'a rien à cirer. Le Saman n'a rien à dire sur ce dossier. Et le dossier, ce n'est pas que le dossier ne doit pas être sur la, sur la table du procureur, mais ce que, voilà, il veut tout simplement que ceux qui ont détourné ces sommes doivent payer ces sommes pour que le Niger rentre dans ses droits. On a vu aussi le parti au pouvoir, le Pendestare, le bureau exécutif national qui avait aussi. Mais il fallait euh, s'attendre, il fallait s'attendre. Le bureau, le, le, ne peut que soutenir. Qui, euh, en tout cas, qui soutient hein, le, ministre de la, Défense, de la Défense De, la, Défense et le ministre de la Sortie, également médiatique du ministre de la Justice. Hum. Parce que tout simplement, personne ne peut aujourd'hui, comme je vous ai dit euh, la dernière fois, que c'est un dossier où tout se reconnaît. Ils sont nombreux qui sont dans ce dossier. Donc, pour ne pas mettre la main sur certaines personnalités, il faut juste appuyer les choses pour dire que voilà, c'est la décision du gouvernement et on s'en tient à la décision du gouvernement. Alors, Garé Amadou, comment, comment vous analysez la tournure que prend cette affaire d'audit du ministère de la Défense nationale avec toutes ces réactions suscitées euh, après le, communiqué du gouvernement. Oui, bien sûr, il y a, beaucoup de passion, euh, non seulement dans la, dans la réaction du Saman, n'est-ce pas, la réaction des citoyens sur les réseaux sociaux a beaucoup de passion, ce qui est compréhensible parce que quand même, on est dans un contexte de guerre où quand même beaucoup de Nigériens euh, sont morts victimes des terroristes. Donc, euh, cette passion-là est, légitime. Mais cependant, eh, la passion ne doit pas aussi eh, nous faire, en tout cas, dévier de la raison. Qu'est-ce que j'appelle la raison hmm. Dans tout ce brouhaha-là auquel on est en train d'assister, dans tout ce bruit-là auquel on assiste, il y a un détail extrêmement important que les gens semblent avoir oublié. Le saman avoir oublié mais c'est un rapport provisoire. Hmm. Un rapport provisoire qui n'a pas. Vous parlez de, de, de celui de l'audit, rapport, provisoire de, Un rapport provisoire qui n'a pas bénéficié du principe sacro-saint de la contradiction. Hmm. C'est-à-dire que ceux dont les noms ont été cités, ils n'ont même pas d'abord on ne les a même pas appelés pour venir apporter, voilà ce qu'on a constaté, justifiez-vous. Hmm. C'est quand le rapport définitif sortira, c'est le rapport définitif qui va sur le... C'est pas le rapport là, donc il y a deux fautes qui ont été commises. D'abord par le ministre Katambe, qui, sur la base. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait que ce rapport-là est provisoire, c'est bien lui. Hmm. Il sait très bien que c'est un rapport provisoire. Hmm. Et donc, il ne devait pas se reprendre les médias jusqu'à dire que non, oui, euh, euh, si, moi, ce que j'ai vu dans le rapport, provisoire, hein, ce que j'ai vu dans le rapport, ah oui, oui, les gens, si ça ne tenait. sauf qu'il faut noter que les, les, interventions du ministre qui sont sorties sont, sont des échanges euh, privés qui ont été rapportés. Vous savez, oui. Euh, je pense que jusqu'à présent, lui ne s'est pas prononcé. même, à titre privé, hmm. vous ne devez pas parler d'un dossier qui n'est qu'au stade provisoire. Ça a été évoqué par le bureau exécutif national qui dit que c'est un échange privé qui a un caractère excessif, ils l'ont dit. En réalité, ils ont mis des gants, mais c'est une critique ouverte contre le ministre de la Défense, qui ne devait, même si c'est à titre privé, qui doit se garder de faire certains commentaires, parce que, comme je le dis encore, c'est un rapport provisoire. Le rapport définitif, c'est lui qui va chez le procureur. Et donc, de fil en aiguille, comme les réseaux sociaux étaient en ébullition, le gouvernement a cru bon de faire une sortie. Une sortie encore qui a aggravé les choses parce que le communiqué du gouvernement était plein de sous-entendus, effectivement, qui ont choqué beaucoup de gens. Est-ce que sur la base, de, euh, euh. c'est une question, hein. est-ce que sur la base déjà de, ce rapport provisoire, le procureur ne pouvait pas s'auto-saisir et ouvrir des enquêtes Attendez, vous savez, les, les inspecteurs d'État, ils sont mandatés par le président de la République. Mm. C'est lui qui signe l'ordre de mission, la mission qu'il leur a assignée. C'est lui mm. qui signe. Ce n'est pas le ministre de la Défense qui signe. Mm. Ce n'est pas le ministre de la Défense qui, dirige l'audit. Hein. C'est le président de la République qui signe l'ordre de mission qui dit allez-y, faites-moi l'audit. Et quand ils font l'audit, ils font un rapport provisoire. Le rapport provisoire, là, est soumis au principe du contradictoire. C'est-à-dire que ceux dont les noms ont été cités, on leur dit bon, voilà ce qu'on a constaté avant de faire le rapport définitif. C'est le rapport définitif. Si maintenant tu, amènes des preuves, on les met. Si tu n'amènes pas de preuves, le dossier est ficelé. Le rapport définitif, c'est ça qui va au niveau de la justice. Il faut que ça soit très clair. Hein. C'est mm. comme ça que ça marche pas autrement. Mm. Voilà. Donc, je pense que les gens ont oublié le détail important. Les gens sont en train de faire du bruit alors qu'on est au stade provisoire. Les gens sont allés jusqu'à dire que non, non, les noms qui sont dans le dossier de ce rapport provisoire, qu'il soit traduit devant la justice. Non, c'est un rapport provisoire. Sauf, que le principe de la présomption d'innocence est extrêmement important dans une démocratie. Il faut que les gens le comprennent. Hein. Mm. Jusqu'à aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là. c'est provisoire. Euh, Entendons-nous bien. Le rapport définitif n'est pas sorti. Voilà. Issa Madougou, voilà, pour garer en tout cas toutes ces réactions suscitées par euh, cette affaire d'audit, euh, euh, parce que c'est encore provisoire, sauf qu'on sait que beaucoup de, personnes aussi font allusion au, communiqué du gouvernement qui dit que les personnes qui, sont, qui sont soupçonnées d'avoir eu quelque chose à voir dans cette affaire doivent payer à défaut, ils vont, ils vont être déférés, au besoin, ils vont être déférés devant la juridiction. Ceux qui refuseraient de s'exécuter. merci beaucoup. Euh, vous savez, euh, cette affaire est extrêmement grave que le gouvernement même a fait sortir un communiqué de presse de panique le 26. Parce que quand vous lisez les textes du communiqué lui par le on a l'impression que le rapport est bouclé. Parce qu'on dit, au regard des recommandations faites par les C'est ce que le ministre porte-parole a dit. Le gouvernement décide du remboursement des frais indûment perçus et de l'argent des marchés qui n'ont pas été exécutés. Il a fallu le ministre de la Justice pour que les gens comprennent que ce rapport est provisoire, pour un peu essayer d'expliquer, parce que l'affaire est extrêmement grave, c'est ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas finalement une contradiction entre ce communiqué du gouvernement et, celui du ministre de la Justice C'est pour cela que j'ai parlé d'un communiqué de panique, parce que l'affaire est extrêmement grave. Le ministre Moro l'a dit à la fin de ce que cela porte même préjudice sur la dynamique de plaidoyer que le Niger est en train de faire auprès de ses partenaires quand on dit que vous, votre, ce que vous avez, vous n'arrivez même pas à gérer. Comment nous, on va vous donner notre argent Parce que c'est ça un peu l'affaire. Et dans ce contexte, c'est bien légitime que les gens se, Mais le problème, c'est qu'au Niger, on a tellement modifié les textes que ces textes ne sont pas vulgarisés. Par exemple, le ministre parle d'une nouvelle loi de répression des crimes économiques votée en 2016, mm. dans lequel, euh, dans cette loi, où on parle de d'abord Monsieur, il a dit, je reprends, j'essaie de reprendre un peu ce temps, monsieur, vous avez détourné un milliard. Alors payez ces milliards. Si vous nous refusez de vous exécuter, vous allez être devant le juge. Mm. D'abord, il dit la priorité pour le gouvernement, c'est de recouvrer l'argent. Mm. Mais néanmoins, on ne va pas dire que la personne est libre de ses actes. Mm. De toutes les façons, il va se... Parce qu'il a expliqué un peu la procédure des rapports d'audit, la différence avec aussi les, les rapports qui sont produits par la Halcia, mm. parce que les missions ne sont pas les mêmes. Les inspections d'État, ils déposent leur rapport au niveau du président, directement au président de la République. Mm. Et dans les textes de la Halcia qui ont été modifiés, le procureur peut se saisir directement de la question, parce qu'on dit que sur la base d'une dénonciation même, faite dans la presse ou par une personne qui a les preuves, la Halsa peut saisir pour mener des enquêtes. Donc, en, quelque fait, sorte, il y a une certaine incompréhension. Non, mais oui, effectivement, c'est le gouvernement aujourd'hui. D'information. Il revient gouvernement aujourd'hui d'assumer sa responsabilité. Parce que s'il y a eu erreur, c'est au niveau du gouvernement, même pas de, l'attitude du gouvernement. Parce que tout le monde sait que cette affaire est grave, est extrêmement grave. C'est des Nigériens qui ont perdu la vie. Dans cette situation de guerre où chaque fois, même dans les plaidoyers, quand le président veut dire, euh, demander un peu à ce que la communauté internationale aide nos pays à sortir de cette situation vraiment qui est un peu trop dure pour nous en termes économiques et aussi en termes de ressources humaines il dit chaque fois que près de 20% du budget national sont consacrés à, la, défense. Alors, si c'est 20%, c'est des milliards, parce que vous voyez, quand vous essayez de faire les petits calculs, ce n'est pas que c'est de l'argent. Mm-hmm. Donc, évidemment, ça doit soulever beaucoup de vagues. Alors, c'est le gouvernement aujourd'hui qui est en train de mal communiquer et qui c'est bien normal que les gens demandent la justice. Et moi aussi, je suis dans cette posture que ceux qui ont commis ces forfaitures doivent payer. Parce qu'on ne peut pas permettre à ceux que, dans un état de droit, ou un pays fragile comme le Niger, qui cherche à assurer son intégrité sur ça, avec ses moyens, parce qu'il faut le dire, les, les, appuis là, ça n'arrive pas comme on l'entend, ce sont des annonces. Hein. Toutes ces tables rondes là, c'est pas que les gens sont concrétisés. Hein. Il n'y a que quelques-uns qui ont concrétisé. Oh oui, ils ont annoncé, ils ont annoncé, ils n'ont pas concrétisé. Alors, Issa Madougou, et, euh, on a vu que le Saman, hein, quand euh, euh, une journée justice morte pour selon et protester contre voilà l'attitude du gouvernement que pour eux vise à euh, empiéter, à empêcher que ces dossiers dossier aille jusqu'au bout Bon, écoutez, moi, je ne je vais pas entrer en profondeur dans les dispositions de, la loi parce que je ne les maîtrise pas. Je ne suis pas un homme de droit, mais j'analyse de forme. de forme, il faut reconnaître un peu qu'ils sont dans leurs droits. Ils peuvent le faire aujourd'hui pour dénoncer tout, acte qui peut compromettre l'état de droit. Parce que c'est la justice. La justice appartient au peuple. On rend la justice au nom du peuple, pas au nom d'un gouvernement. Ils sont dans leur... Même le ministre l'a reconnu. Il a dit que la justice, ce n'est pas... Mais ce que le gouvernement n'est pas dans, ce euh, dispositif de, justice du spectacle. Oui, on doit arrêter celui facilement. Non, non, non. Mais moi, je pense que l'action de Saman, le Saman est bien dans son droit d'aller dans ce mouvement. Mais ce qu'il faut aussi déplorer dans cette affaire, mm. c'est qu'on n'a pas senti aujourd'hui les autres acteurs pour que ça puisse être vraiment euh, avoir un dénouement. Le plus souvent aujourd'hui. Quel autre acteur les autres acteurs comme euh, qui devraient être euh, comment comme on appelle les acteurs de la société civile vous voulez dire ils ont fait des, trucs mais sinon on devrait avoir une synergie mais voilà en, en, conclusion ce que j'aimerais dire par rapport à cette affaire moi je pense qu'aujourd'hui c'est que si le gouvernement devrait donner la garantie à ce que la loi que le Niger s'est donné librement en 2016 dont le ministre puisse, être, euh, puisse être vraiment appliqué. Et le Niger puisse rentrer dans ses droits. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des milliards puissent disparaître aujourd'hui. C'est pour cela, hier, moi, la déclaration du PNDS, je me dis, mais attendez, pourquoi le PNDS fait une déclaration et ne soutient pas l'idée du gouvernement dans ce pont pour dire le paiement. Ils ont seulement soutenu. Normalement, ils devraient s'inscrire, en tant que parti au pouvoir, s'inspirer du communiqué du gouvernement ou bien de la sortie médiatique. Du... Mais non. Ça, nous, avons, vous avons compris. Mais Diado, alors comment vous voyez cette, euh, cette journée justice morte que compte organiser le Saman Bon, comme l'a dit Issa, euh, le Saman est dans ses droits. Je pense que c'est un syndicat aussi les syndicats ne peuvent que revendiquer également leurs droits. Donc je pense que euh, au-delà peut-être d'une journée morte, peut-être qu'ils auront d'autres actions aussi, mais tout compte fait, c'est que euh, nous, en tant que citoyens, on aimerait juste voir que la lumière soit faite autour donc de ces mille euh, euh milliards. De ces milliards. De ces mille milliards. le chiffre exact reste encore C'est ce à que déterminer. Les gens se rapportent déjà. C'est le caractère euh, provisoire du rapport. Oui, parce que là, aujourd'hui, on ne sait pas, sait pas combien a été détourné. Et voilà. l'année euh, même, aujourd'hui, les années. <laughs> voilà. Donc, je pense que, oui, je pense que pour, mettre court, pour mm. mettre court, donc fin à toutes ces et autres. Je pense que c'est la lumière qu'on veut, c'est tout. C'est tout ce que nous, avons besoin aujourd'hui. Ah oui, c'est la lumière dont on a besoin. oui, certains acteurs peuvent aider à aller vers ça. Mais bien sûr, non, non mais je, vais vous dire, le, le, Saman est dans son droit quand il dit qu'il veut faire euh, euh, euh, une, une, journée justice morte. C'est un syndicat dans, tous les cas, vous comprenez Si les avocats disent qu'ils s'organisent, c'est leur droit. Mais ce que j'ai dit, il faut quand même assez, assez dépassionner le débat et que les gens soient sereins. Ce que j'ai dit est très simple. Vous savez, le journal même qui avait ébruité cette affaire. Dans son premier article, il avait parlé de 1700 milliards. Quelques semaines après, le même journal est revenu pour dire 80 milliards. 80. Vous vous rendez compte C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas trop vite se précipiter, parce que la précipitation, ça amène, les, jours, qui viendront, nous nous édifierons sur, les montants exacts, sur les, montants sur les nombres d'années euh, en question. Voilà, ce qui est important. Ce il ne faut pas que les gens pensent que déjà ceux qui sont dans ce rapport, j'ai dit bien provisoire, on doit les jeter en pâture, on doit les faire. la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est une règle en démocratie. Ça ne plaît pas à certaines personnes, mais il faut le dire. parce qu'un jour, on sera dans une situation où les gens vont vouloir nous. vouloir euh, alors que la présomption d'innocence, c'est la règle en, démocratie. Voilà. Nous, passons au second sujet, Garé Amadou. Euh, volet santé de cette émission, parlons du coronavirus euh, COVID-2019. cette nouvelle maladie qui défraie la chronique, la chronique ces jours-ci au Niger pour l'heure. Aucun cas euh, confirmé n'a été décelé. Cependant, pour parer à toute éventualité, des mesures ont été envisagées par les autorités nigériennes et leurs partenaires pour prévenir et prendre en charge euh, d'éventuels cas. À Gadez, par exemple, une mission du ministère de la Santé publique a été envoyée pour renforcer la surveillance des voies d'entrée de la région, notamment celle du département d'Arlit le renforcement aussi des capacités des agents au niveau de l'aéroport international Mano Dayak d'Agadez. Et dans le rapport de situation euh, sur la préparation euh, euh, du COVID au COVID-19 au Niger du 21 février 2020, le bureau OMS Niamey a relevé ceci. Le Niger a besoin de stocks plus importants matériels et équipements de prévention et contrôle euh, de l'infection, de médicaments et consommables pour la prise en charge symptomatique des cas éventuels et de cinq caméras thermiques euh, supplémentaires d'un coût total d'environ 109 millions de francs CFA. Gary Amadou, quelle appréciation faites-vous des mesures en cours euh, pour parer à toute éventualité Moi, je pense que le ministère de la Santé devrait prendre avec vraiment beaucoup d'attention le communiqué de l'OMS. C'est extrêmement important parce que le matériel dont on a besoin là, c'est extrêmement important pour pouvoir gérer cette situation-là. Vous savez, cette épidémie de coronavirus, elle nous a fait, elle nous a fait apparaître quelque chose d'extrêmement étonnant. Euh, euh, des grands pays, regardez, moi des, grands pays comme la France qui sont en rupture de stock de masques. On vous dit que l'usine qui fabrique les masques, elle travaille à plein régime, uniquement pour pouvoir mettre à la La Chine, qui est un géant, qui était obligé de construire un hôpital, on se rend compte que finalement, il suffit de peu de choses pour qu'un pays. Et, vous avez vu la solidarité internationale. Mm. Les États-Unis qui, qui, aident, qui la Chine, n'est-ce pas et, Bill Gates qui, injecte qui donne de l'argent à la Chine. Mm. Comme quoi, il ne faut pas que les gens s'offusquent. a dans des situations difficiles, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider. Et il n'y a pas de pays qui soit infaillible. Hmm. Mais cette épidémie, de, il faut qu'on fasse extrêmement attention. C'est pourquoi je dis que le communiqué de l'OMS est extrêmement important. Hmm. C'est lui qui rappelle un peu les gaps, le besoin déjà. Mais c'est euh, dès maintenant. Faut préparer. Mais ça, c'est une priorité. C'est dès hmm. maintenant, là, sur les fonds du Trésor national, là qu'on doit commander ces choses-là. Est-ce que vous comprenez C'est pas qu'on va attendre que quelqu'un nous amène ça. Non, non, commandons ça et puis qu'on puisse les mettre, à ces caméras-là au niveau des aéroports pour qu'on puisse contrôler. Quelles sont aujourd'hui, à votre avis, les failles qu'il est nécessaire de corriger dans notre pays, notamment dans le système sanitaire Non, dans le système sanitaire, vous savez, tout passe. Le, le mal qui va amener ça là, il va venir dans un avion. Soyez sûr. Peut-être, puisqu'on dit qu'il y, a deux cas au Nigeria. Au Nigeria, il y a, il y a des cas au Nigeria. À Dakar, il y a deux cas en Algérie. Mm, nos voisins immédiats, l'Algérie. Les aéroports, on peut les contrôler, mais est-ce qu'on peut contrôler les voies terrestres Est-ce que ceux qui vont passer par Tamaracet là, au Niger est-ce qu'on peut les contrôler Voilà toutes ces questions-là qu'il faudrait qu'on se pose. C'est-à-dire qu'on veut se focaliser sur les aéroports. Mais déjà, quand même, comme je l'ai dit, hein, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises, notamment vers Arlit, par la direction régionale de, sûr, bien sûr. santé. il faut... Oui, euh, il faut des moyens. n'est pas juste vous allez prendre la température. Ah non, non, toi tu as 40 degrés, donc ah, toi tu es malade. Donc non, non, non c'est pas ça. Il y a du matériel spécifique pour pouvoir contrôler ce coronavirus. -là. De, contrôle et notamment de protection aussi de, tous ceux qui De protection de tous les agents aussi qui sont aux frontières. Même Diado, mm. quelles sont à votre avis les failles dans notre système sanitaire qui est nécessaire de, de, de corriger pour être vraiment prêt à, à faire face à toute éventualité je pense que les failles, garées a déjà souligné les failles. maintenant, au-delà des failles, c'est peut-être une sensibilisation, une forte sensibilisation des populations. Hmm. Donc, il faut que les populations aussi comprennent aujourd'hui la position peut-être du ministère de la Santé. C'est pour éviter à tout le monde euh, cette maladie. C'est pour nous mettre, euh, nous sécuriser d'abord. Et je pense que quand on parle de sensibilisation, c'est les médias c'est aujourd'hui la visibilité. Ça doit être aujourd'hui le travail des médias. Hum, Et Oui, il faut associer les médias. Le ministère n'a pas le choix que d'associer les médias. Et ensuite, c'est vrai, le ministère a dit que euh, non seulement que ce soit la voie aérienne, que ce soit la voie terrestre, il y a une collaboration, franche collaboration qu'il vont mettre en place entre euh, ces, ces, agences de, de compagnies de voyage terrestres. Hum et euh, pour pouvoir sensibiliser jusque dans les bus aussi, comment <coughs> est-ce qu'il faut aujourd'hui euh, prévenir cette maladie mm. Notamment comprendre aussi les modes de transmission, les, signes. C'est ça, les signes. Et, ensuite, en fait, c'est des compositions, des, vidéos, des, des, enregistrements qui seront faits et qui seront distribués dans des bus où à chaque fois on répète les, mesures de protection. On réflexe à ces passagers comment est-ce qu'il faut faire. Donc, je pense que c'est vraiment euh, le ministère de la Santé en train de faire quelque chose de bien, parce que depuis que euh, ça a été détecté au niveau de la Chine, je euh, j'ai pas vu un moment donné où le ministère de la Santé est quand même a baissé les bras mhm. face à cette situation. En tout cas, des, euh, des, réunions Il y a des réunions, il y a, il y a des conférences. Euh, Dieu merci, le Niger n'a pas encore enregistré, et on ne le souhaite pas mm. pour le Niger quand même, mais il y a des mesures de prévention. Alors ces mesures de prévention, ces consignes que nous sommes en train de, le ministère de la Santé est en train de mettre à la disposition de ces populations, c'est vraiment de prendre ça à bras le corps et d'aider également le ministère à aller dans son élan. Issa Madougou, euh, en plus de, de, la prévention consistant à, intensifier les sensibilisations, sur quoi faut-il encore euh, mettre l'accent Vous savez, <clears throat> c'est bien normal que nos pays euh, s'activent pleinement parce que se connaissant les réalités de nos systèmes sanitaires, parce que nous sommes des pays en voie de développement, même pour avoir une couverture sanitaire respectant les normes de l'OMS, nos pays ont des difficultés. Alors, une maladie qui fait peur même les puissances économiques, alors pourquoi ça ne devrait pas nous déranger Évidemment, ça nous dérange. Mais nous savons bel et bien que nous n'avons pas les moyens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut que anticiper les actions et aller vers le concret. Déjà, ce qui est en train d'être fait au niveau de l'aéroport, moi je pense que ça c'est bien. Le Niger, c'est pas. Dès qu'il y a eu l'apparition, le Niger, je vous vous rappelez, le Niger, euh, le, euh, ministre de la, santé. a fait un point de presse pour informer un peu de quoi il s'agit. Et les dispositions qui allaient être prises au niveau de l'aéroport. Vous avez vu, même ici à la frontière, au poste frontalier de Macrondi, il y a euh, un dispositif qui a été mis en place où le secrétaire général était même parti là-bas pour voir comment les gens s'activent pour un peu sensibiliser et contrôler la venue des gens. Puisque au Burkina Faso, un temps, on avait eu cette panique où on a dit qu'un Chinois qui était venu de la Chine récemment a été amené, transporté à l'hôpital. Ça, dans ce genre de situation, il y a toujours des rumeurs, il y a toujours des euh, fake, ça, fake news qui circulent. Effectivement, c'est par rapport à ça même qu'on devrait accentuer euh, une action sur la sensibilisation pour ne pas céder à la panique. Parce qu'on ne doit pas que faire en sorte que les gens paniquent. Il faut que les gens comprennent c'est quoi. C'est quoi cette maladie et alors, lors de la dernière sortie médiatique du ministre, où il a animé cette conférence de presse conjointe avec euh, la représentation nationale euh, du Niger, du moins, de l'OMS, on a, on a entendu le ministre a dit qu'il y a des campagnes de communication qui seront entreprises et que des sports sont en cours de réalisation et bientôt seront euh, diffusés un peu partout. Mais il faut être aussi réaliste. Vous savez très bien que même si nos pays font, par exemple, les le matériel dont l'OMS... Oui, 109 millions oui, euh, dans le Niger. L'OMS aussi vraiment devrait épauler. Parce que nous, dans nos pays, des pays comme le Niger où tout est priorité, parfois mobiliser ces genres de sommes, tout le monde sait que c'est primordial. Mais la capacité de mobilisation face à la propagation rapide de cette maladie n'est pas du tout disproportionnée. C'est pour cela que on devrait aussi aider le Niger parfois à vouloir être euh, prêt pour riposter. Parce que au Niger, pourquoi il y a l'inquiétude Parce que deux pays avec qui nous avons des échanges au quotidien comme ah, ah le, Niger, le, Nigeria et l'Algérie, c'est bien normal qu'il y ait cette panique, cette psychose qui puisse mm. régner. Mm. Mais quand même, parce que la maladie, même en tant que telle aujourd'hui, on n'a pas assez d'informations sur ça. Même les symptômes qu'on dit. Les symptômes, j'ai entendu plusieurs choses, des médecins disent c'est des symptômes qui, oh, oh, sont oh. pareils à, la grippe. À, la grippe. Donc, c'est une maladie où on n'a pas assez d'informations. Donc, évidemment, c'est normal que les gens paniquent. Mais moi, je pense que ce qui est en train d'être fait au Niger, c'est une bonne chose. Et c'est de continuer à ce que la population puisse garder leur calme et puisse avoir ce réflexe. Tant qu'il y a ces symptômes qui apparaissent au premier jour, de se référer au niveau d'un centre de santé. Moi, je pense qu'il faut stimuler cela au niveau des populations. De ne pas céder à la panique, mais de se dire dès qu'il y a quelques soucis, d'aller directement au niveau d'un centre de santé. Parce que déjà, des dispositions ont été prises au niveau de l'hôpital de, référence. Il y a même un bâtiment qui a été euh, réquisitionné pour le confinement parce que une personne peut avoir la maladie, mais tant que la période d'incubation n'est pas arrivée, on ne peut pas savoir réellement. C'est pour cela on met les gens en observation pour voir la durée de l'incubation. Si ça ne manifeste pas, alors on peut relâcher la Effectivement, c'est une maladie où on dit que euh, durant la phase d'incubation qui peut durer 14 jours, la personne peut ne pas présenter des mhm. symptômes, mhm. mais peut contaminer euh, son entourage. Tout à fait. Voilà. voilà. vous voulez ajouter quelque chose euh, je voulais, ajouter quand même sur. moi, je pense qu'il ne faut pas encourager le, gouvernement à tendre la main vers l'OMS. 100 millions, ce n'est pas, pas grand-chose hein, pour un gouvernement qui paye des milliards de salaires chaque mois. C'est les 5 caméras seulement qui. Oui, non, mais, euh, mais, il faut, il faut ah encourager le gouvernement à puiser au niveau du travail. Tout à fait. Je suis entièrement ah d'accord. Parce que c'est tout le matériel. Hein, parce que 100 millions pour un État, 100 millions pour un État, bon, je trouve que ce n'est pas grand-chose. Ça, c'est rapidement. Ça, c'est urgent. Est-ce que vous comprenez C'est urgent. C'est-à-dire que au moment où l'OMS a sorti ça, le ministre a vu ça normalement. Dans la semaine, on doit commander ces choses-là. C'est-à-dire, c'est pas qu'on doit attendre. Hein. Parce que là, c'est les dispositifs de, prévention et, de, ah. gestion. Ah, pour, pour, les, pour les caméras. les partenaires avaient annoncé un, son un, fonds, mhm. pour euh, l'achat justement de ces caméras-là. Ils ah. vont appuyer le Niger dans ce sens-là. D'accord. Yeah. C'est une bonne chose. Bien, nous passons au dernier sujet de, ce forum, le Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, euh, de l'environnement et de l'élevage Sahel-Niger, qui s'est tenu euh, du 28 février au 4 mars euh, dernier au palais du 29 juillet, donc palais de sport de Niamey. Le Sahel-Niger 2020 est un cadre qui favorise la découverte du savoir et du savoir-faire des producteurs et productrices et la promotion des produits agropastoraux et halieutiques ainsi que les innovations dans le secteur. De nombreux exposants nationaux et internationaux y ont pris part. Euh, Issa Madougou, avez-vous fait un tour Et qu'est-ce que vous avez apprécié de, le plus L'ingéniosité. De qui La créativité hmm. et l'espérance que ce pays, on peut se suffire, et le Sahel en général, et même les autres pays africains en matière de créativité, d'ingéniosité dans le domaine de l'agroalimentaire, l'élevage, tout ce qui concerne un peu les secteurs sociaux de base qui peuvent booster, impulser une croissance économique à nos, pays. Aujourd'hui, nous avons toutes ces capacités. Il suffit seulement aujourd'hui de créer des mécanismes pour faire profiter de ces gens d'un financement qui puisse être vraiment euh, un déclencheur de, de cette révolution. Au Sahel, il y a des choses extraordinaires quand vous voyez des produits qui sont transformés. Et les gens se le font par amour. Et ils n'ont même pas de financement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Sahel devrait muter même. Après six éditions, c'est de penser à la création, peut-être, d'un supermarché ou bien hypermarché, de tout où on trouvera tous ces produits locaux. Mm. Et ça va stimuler également la production des produits locaux. Et, ça va être aussi un point de gagner pour la croissance économique de notre pays. Aujourd'hui, il ne faut pas continuer toujours dans cette situation de dire il faut venir exposer, exposer. Non. Créer, non, créer aujourd'hui des opportunités pour que ces gens puissent écouler. Il n'y a pas un secteur que vous n'allez pas voir. J'ai vu du, du, riz venu de Tilaberi sans engrais qui s'était produit à Tilaberi, localement. Euh, et, le monsieur nous expliquait les conditions et les nutriments qu'il dispose. J'ai vu des femmes transformer du lait. Quand on voit qu'aujourd'hui, l'exportation, le, lait qu'on amène de l'extérieur, le lait de poudre, qu'on consomme pratiquement, pourtant on peut investir juste un peu ici et consommer du local. Mmh. Et j'ai vu des femmes transformer les produits comme des tomates, de, créer des choses extraordinaires. De l'arachide aussi. De l'arachide. Transformé euh, voilà. avec des, des confitures. Des confitures, de l'oignon. Ah Vous voyez, il y a extrêmement. Du, c'est une diversité de produits qui mérite d'être. Euh, moi, je, vraiment, je lance un appel aujourd'hui à, aux organisateurs qui sont les RECA, le RECA, le, réseau, des, chambres de l'agriculture, aujourd'hui de penser peut-être si Dieu nous prête longue vie, la septième édition doit rimer avec l'inauguration d'un hypermarché. Au moins pour commencer à Niamey. Qui sera dédié spécifiquement à, tous ces produits. À, toutes ces tous ces produits. Et également les séances de hmm. sensibilisation, d'échange, les ateliers qui ont les forats qui ont eu lieu en marge de ce salon, on devrait également les mettre à profit, puisqu'il y a eu des échanges fructueux, notamment sur le financement, des mécanismes comme le FISAN, la finance islamique. Les gens ont échangé aujourd'hui sur, oui, sur l'opportunité que présentent ces institutions, par exemple le Fonds pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, peut aujourd'hui créer, financer ces femmes-là et ces hommes-là et ces jeunes-là, qui sont parce que la majorité, c'est des jeunes. C'est ce qui démontre que notre pays a de l'espoir. Il y a de l'espoir de développement. Il y a de l'espoir. On peut le faire, on peut faire bouger les choses. Il suffit seulement que ces gens puissent être accompagnés et pour faire changer les choses et stimuler la production parce qu'aujourd'hui, même le fait d'importer trop est en train d'impacter l'état de santé des Nigériens. On dépense plus dans l'état dans la santé au Niger. Parce que c'est un lien avec de l'alimentation qui vient euh, d'ailleurs, donc on ne sait même pas comment ça a été fabriqué. Aujourd'hui, il y a des produits locaux qui peuvent vraiment apporter Donc, mettre la production locale, le consommant local. oui, assurer <laughs> une santé, une meilleure santé aux consommateurs nigériens. Maimouna Diado, vous avez fait tout, un tour j'ai fait un tour là-bas. Alors, vous, euh, qu'est-ce qui vous a, qui a retenu particulièrement votre attention Et qu'est-ce que vous, vous, entrevoyez pour euh, l'avenir, en tout cas, de, ce secteur bon, J'ai apprécié énormément, en fait, la foire en tant que telle. Euh, j'ai eu à, voir des femmes transformatrices et surtout euh, El Macao, voilà. le moringa. Le là, mm. qui a été transformé en huile. C'était vraiment très, très, très bien. Parce mm. que je me suis dit que personne ne savait que le moringa aujourd'hui contenait de l'huile. Mm. Mais ces femmes ont pu extraire de l'huile à, partir donc du moringa. Et qui pouvait, qui allait euh, servir dans la cuisine. Oui, qui ça sert dans la cuisine, ça traite beaucoup de maladies et c'est thérapeutique en fait. Ils ont montré qu'aujourd'hui, euh, on peut pas, le moringa ne peut pas être consommé uniquement euh, en, faisant à des baptêmes, des mariages, des regroupements d'ateliers de, de ou tout. Mais il y a la poudre aussi qui peut servir à, beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, et le moringa, euh, la transformation du, moringa aujourd'hui, ça a dépassé les frontières du Niger. Je vous assure. C'est jusqu'au euh, au Congo, les femmes transportent le moringa là-bas. Alors, ces femmes que vous avez rencontrées, maintenant, hein, excusez de vous mhm. couper, Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui De quoi ont-elles besoin ce, pour, ce qui les manque aujourd'hui, c'est la vente, en fait. Le débouché. C'est ça. C'est ça leur problème. Aujourd'hui, les Nigériens, c'est vrai, nous ne consommons pas local. On n'aime pas trop nos produits. Et c'est très difficile. Quand vous regardez ces femmes, comment elles ont souffert pour faire la transformation de ces produits-là. Et qu'aujourd'hui, l'écoulement de ces produits pose un problème non seulement ici au Niger et également à l'extérieur. C'est vraiment euh, inadmissible. Et je pense qu'au-delà, peut-être, de, de, de, de l'exposition, comme l'a dit Issa, c'est de créer vraiment un marché, un marché, un centre où toutes ces femmes, ces hommes qui ont l'expérience doivent euh, peuvent se rencontrer et amener un plus donc euh, euh, vraiment à notre à nos produits dans la transformation de nos produits locaux. Et parce qu'on a vu aussi qu'il y avait et des Nigériens des de, toutes les régions de, et aussi de pays voisins qui ont participé. Aujourd'hui, quand on regarde également, oui, quand hmm, vous regardez la le Maroc, la Côte d'Ivoire, regarde la transformation hmm. de l'ail où on peut extraire de l'huile à partir de l'ail. Mais c'est formidable. Oui, c'est déjà un travail, quand vous parlez de l'exportation, il y a un travail de certification qui est en train mm, d'être mm, conduit. Mm, parce que aujourd'hui, les autorités nigériennes et certaines institutions sont conscientes de la nécessité aujourd'hui d'aller vers deux choses la certification et le financement, ainsi que aussi il faut le, coaching. Mais je pense si ces femmes ont besoin d'un encadrement. Et la certification aujourd'hui, même au, au commissariat euh, euh, de l'initiative troisième, ils sont en train de travailler sur la certification parce que la certification va permettre à ces femmes de pouvoir aller vendre leurs produits au-delà des frontières du Niger. Donc ce travail est en train d'être fait et moi j'ai espoir que ces femmes-là... Ça doit se poursuivre. ça doit se poursuivre. J'ai espoir que... Parce que c'est des battantes. Hein. Elles ont commencé à zéro franc. L'entrepreneur à zéro franc, vous n'allez que voir le concret qu'au niveau des femmes. Oui, je pense que, je pense que c'est vrai ce que Issa a ajouté. Et, et, je pense également qu'aujourd'hui, il faut une sensibilisation aussi de la population nigérienne. nigérienne hmm. pour que nous puissions consommer local. Aujourd'hui, quand vous regardez le riz local, le riz du Niger, hmm. le riz du Niger aussi souffre. Pourquoi ça souffre Parce, que, le Niger est aussi envahi par. Oui, voilà. Euh, les Nigériens, les, Nigériens préfèrent plus ce qui est importé que ce que nous, nous sommes en train de fabriquer aujourd'hui. Et, et, quand, oui, parce que le président de la République, je, je reviens, avait dit que dans 2021, il mm. va vraiment mettre fin à l'exportation et à l'importation du riz. Et je pense que c'est là. Alors nous tendons vers le vers ce qu'a fait le Nigeria. Oui, parce qu'il faut bien, il faut bien que nous commençons à utiliser et à consommer <laughs> nos produits, parce que nos produits, vous voyez, il n'y a pas de. Je pense que pour aller vers la santé, donc pour vous, pour vous, il faut en tout cas vraiment encourager les Nigériens à consommer local. Il faut encourager les Nigériens parce que c'est de l'emploi aussi qui est créé autour de, de ces entreprises. Et, et, je pense que je n'ai pas encore terminé. Terminé parce que vous avez... Il l'entrepreneuriat aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Il faut, il faut vraiment investir au niveau de l'entrepreneuriat. Merci. C'est juste. Voilà. Gare Amadou, pour, nous terminons avec vous oui, sur ce salon de l'agriculture oui, Sahel-Niger. Oui, c'est vraiment un salon qui prend... Moi, ça me donne envie d'aller travailler <laughs> aussi. Oui, c'est un, oui, un, salon, un salon qui, chaque année, est vraiment, prend de l'ampleur, vraiment qui devient quelque chose d'extrêmement important, et surtout pour les producteurs nigériens. Oui, c'est bien, c'est très bien de consommer nigérien, c'est très bien de de, certifier les produits. Oh. Mais vous savez, il y a un détail extrêmement important que les gens semblent C'est lequel, C'est le brevetage des produits à spécificité nigérienne. Je sais pourquoi je parle. Hmm. Est-ce que vous savez que récemment, une Sénégalaise a créé le... Elle, a créé une société qui produit le kilichi. Elle appelle ça le kilichi. Le même nom que. Le même nom. Et hmm. moi, j'ai appelé le ministère du Commerce. J'ai dit, mais monsieur le ministre, est-ce que vous avez vu ce qu'on voit une société parce que, parce que sans ce brevetage hein, on, peut initier, on, peut initier on peut des choses ici la certification c'est un peu le truc de la qualité c'est à dire que c'est ISO ils, sont, en train de faire tout ça mais il faut faire il faut le faire parce que pour le moment je pense que le label nigérien pour le moment on est en train parce que aucun, normalement le cliché aucun autre pays ne peut, il peut faire le produit, mais pas le même nom. Le nom, c'est pour nous. Mais, vous, je vous assure. Le moringa se trouve au Congo aussi le nom, ce qu'on fait ici, la poudre, tout. Non, le cliché, c'est une Donc, des détail que Garé évoque est, important. voilà. donc, important. voilà. Donc, chaque, chaque pays a ça. Le cliché, la c'est une spécificité nigérienne. Mais quand on voit le cliché au Sénégal, le cliché en Turquie, dans des boutiques, on met cliché. Et c'est pas les Nigériens qui ont fait ça, c'est les Turcs. Vous voyez, donc il faut protéger nos produits. Il faut vraiment promettre à ceux que vraiment qu'on ait une spécificité, voilà, une, une sorte de droit d'auteur, oui. Mm-hmm. Et merci à tous. Euh, voilà, nous sommes au terme du forum de la presse de ce soir. Nous étions en compagnie de nos confrères Gary Amadou journaliste au quotidien La Nation, Maimouna Diado, journaliste à la télévision Tambara et Issa Madou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Euh, je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de cette émission. La régie technique, euh, c'est Issa Lawali. Régie vidéo, euh, Ayouba Mustafa. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa et dimanche, le forum en Zan Bonsoir.